de la fada bonsoir ɗan uwa matasa barkan ku da barka barkan sake kasance tare da ku a cikin wannan shirin namu na muhaɗa fada shirin da ke zo muku a kwana ƙarshen mako daga studio Kalangu mai gabatar muku da shirin a yau Fanta Shamsu sai Abdulkader Chambiano akan inji sai suwar don votre émission installée à Agadez nous allons de la migration et qu'est-ce en effet le nombre de migrants bloqués au Niger demandant l'aide de l'OIM a augmenté de 35% en 2022 lorsque plus de 17 000 migrants ont été aidés par rapport à 2021 et continue d'augmenter en 2023. Le voyage vers ce qui est censé être l'Eldorado pour ces jeunes aventuriers peut parfois ou même très souvent être périlleux, une véritable odyssée où beaucoup perdent la vie et les plus chanceux se retrouvent dans des centres humanitaires avant d'être rapatriés chez eux pour beaucoup de cas. Selon l'OIM, on estime que 7700 migrants actuellement bloqués au Niger ont un besoin urgent de nourriture, d'eau potable, d'abri, d'assistance médicale et de protection, dont 5000 à Asamaka. Et cela, c'est sans compter les sommes colossales qu'ils investissent dans ces voyages. ba sa rage musu kuzari Ko duka irin mace matafiya wani kasashe ne suka fi son su je tafiyar ta fi zaman ne wani irin haɗura ke tattare da tafiyar wanda suke samun isa kasashen waje suna dacewa ko ko a'a sai kun biyo mu a cikin wannan shirin namu na mu haɗa fatan da zamu kwashe mintuna talatin da biyar muna tattaunawa domin samun waɗannan amsoshin. Masu mu ya a cikin fadar tamu da ta da zango a nan filin Proje Alarm Phone Sahara IPS kenan na birnin Agadis. Muna tare da matasa bakin haure da kuma um, wakilan shi wannan Proje na IPS wanda shi ma yana aiki ne a fannin bakuntar haure. Zan ba su dama kowane zai gabatar da kanshi zan fara da wanda yake dama ta. Eh, assalamu alaikum. Ni sunana Dr. Shehu Azizu. Eh, ni ne jagoran wannan Proje da ake cema alamfon Sahara. mai kawo tallafi a eh, fanni daban-daban zuwa ga baki wanda suke shigowa kasar Nijar musamman ma suka shigo su wuce zuwa kasar Algeria ko kasar Libya. Wadrago Mariam. Mhm. Je suis notre émission. Merci, Moi, c'est Kamara Salif de la Guinée. Moi, c'est Sako Youssouf. Mali. Oui, c'est Sadio Diallo, le mobilisateur communautaire de APS et le responsable des communautés immigrantes qui résident à Cadès Commune. On vous souhaite à tous la bienvenue dans notre émission Tous à la Fada de ce samedi soir. za mu saurari association anibel des nigériens en belgique on va l'écouter après on va revenir dans notre émission Franchement, ce que je veux le dire, euh, euh, on a la chance aujourd'hui que les données ont changé euh, au Niger, je peux dire au Sahel, avec la, cette alliance de trois pays-là. Donc aujourd'hui, pour moi, les trois pays-là, dans peu de temps, peuvent innover sur beaucoup de choses. Donc la jeunesse de Sahel peut rester au pays, faire ce qu'il faut. Parce que sincèrement, l'Europe est en train de dégrangoler, comme on le dit. Nous, on est là plus de 20 ans. Chaque année, on voit du changement. Donc vraiment, euh, c'est à nous de dire et de conseiller euh, nos jeunes qui sont là-bas, rester et avoir une activité parce que euh, les gens n'ont pas compris. Tout le monde veut être fonctionnaire ou tout le monde veut être dans un bureau, alors qu'il y a moyen de développer ses propres affaires. Ses propres affaires. Peut-être c'est là aussi on va appeler l'État et collaborer avec la diaspora pour qu'on puisse sensibiliser les gens, qu'on puisse créer des trucs d'entrepreneuriat où les jeunes peuvent trouver leur place parce que c'est très important. L'Europe, c'est beau quand tu vois ça de loin. Mais je vous assure, c'est pas facile de vivre ici. C'est pas facile. Donc voilà. Qu'est-ce qui est compliqué de vivre ici Pourquoi c'est pas facile Compliqué, nous avons des gens qui sont là 10 ans, 15 ans. Ils sont toujours sans papier. Et c'est un système où si tu n'es pas en règle, tu n'as pas droit au travail, tu n'as pas droit à rien. Donc au lieu de venir ici perdre 5 ans, 10 ans, 15 ans, tu tournes pour rien, mais autant développer quelque chose là-bas. Donc il y a moyen d'aider les gens à développer euh, surtout valoriser favoriser le secteur, euh, l'entrepreneuriat professionnel, parce qu'il y a moins d'aider les gens. Il n'est pas dit obligatoirement il faut être euh, quelqu'un de la fonction publique. Non, il y a moins d'aider les gens pour vraiment développer le pays. Quelle est votre réaction par rapport à ce son qu'on vient d'écouter à Seydou, c'est le président de l'association des Nigériens en Belgique. En Afrique, les jeunes souffrent vraiment. Moi, c'est camarade de la Guinée. Bon, sa réaction, c'était une bonne réaction. Puis vraiment, on doit venir à l'aide aux jeunes africains puisque vraiment, le gouvernement nous font vraiment du mal. Et on voit vraiment cette jeunesse euh, sans diplôme qui se retrouve beaucoup à l'immigration. Et vraiment, ça fatigue la jeunesse africaine. Mhm. Et pour ça, tous les chefs d'État d'Afrique doivent essayer de penser pour voir au moins euh, comment aider cette jeunesse qui souffre autant à l'immigration. Monsieur le coordinateur, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce que vous venez d'écouter Merci. Euh, je dirais que cette communication du représentant ou du président des immigrés en Europe, en Belgique, est une réalité qu'il a touchée du doigt. C'est une réalité euh, à laquelle font face euh, les jeunes Africains. Mhm. Et effectivement, quand ils décident euh, de quitter leur pays d'origine, c'est dans l'espoir d'avoir un lendemain meilleur. Mais quand ils arrivent sur le sol européen ou en Occident de manière générale, les défis de la vie sont énormes. Et souvent, on assiste à des regrets, des regrets euh, du fait d'avoir euh, tout abandonné derrière soi et pensant euh, avoir un lendemain meilleur, un mieux-être pour pouvoir aider la famille. Mhm. Alors c'est ce cri de cœur effectivement que nous aussi nous essayons de lancer pour que les jeunes prennent conscience de ces défis et qu'ils puissent s'organiser euh, pour mieux affronter, en tout cas, la vie et qu'ils puissent s'adapter aux changements qui prévalent dans nos sociétés. Mhm. Merci, monsieur le coordinateur. Maintenant, je vais me tourner vers Mariam. Mariam, vous venez du Burkina Faso, c'est ça Qu'est-ce qui vous a motivé à quitter votre pays Et où est-ce que vous voulez aller Bon, moi, j'étais mariée. C'est mon mari qui est décédé. Il y a des, trois enfants dans ma main. C'est ça, il a décidé de sortir pour avoir une meilleure vie, mes enfants. J'étais au Libye. Les Libyens nous attrapés. J'ai fait trois mois en prison. Je me suis retournée à Algérie. Maintenant, je n'ai pris rien. Je voulais me retourner dans mon pays. Je n'ai même pas de moyens pour me retourner dans mon pays. Est-ce que vos enfants sont aussi avec vous Non, ils sont au pays. Et euh, est-ce que vous voulez encore retourner là-bas retourner, s'il y a eu possibilité pour retourner. Mais je n'ai plus de moyens. Je voulais rentrer chez moi. Salimata, vous êtes ivoirienne. Oui, je Ça fait combien de temps que vous avez quitté le pays Je suis quittée en Côte d'Ivoire 2021 pour venir au Maroc. C'est du Maroc, j'ai essayé de rentrer en Algérie, en Algérie, en Tunisie. Ça n'a pas marché pour moi. Donc je cherche la route maintenant pour rentrer chez moi. Mais pourquoi vous avez quitté au début Bon, c'est comme la main que ma soeur a parlé c'était la même chose. Je pensais qu'en sortant pour aller en Europe, je pouvais avoir une meilleure vie. Mais si la route, j'ai vu que c'est pas facile pour aller. Donc j'ai décidé de me retourner au pays. Mais vous êtes quand même allé jusqu'au Maroc rentrer en Tunisie même. C'était quoi votre destination En Italie. Oui, oui. Donc j'étais en Tunisie, ici arrivé en Tunisie même. Pourquoi vous avez choisi l'Italie Vous aviez eu des Qu'est-ce qui vous avez a motivé à choisir L'Italie, parce que j'ai mes là-bas, j'ai mes frères là-bas, donc je dis je préfère l'Italie. Donc c'est pour ça que partant d'Italie derrière mes frères et mes sœurs qui sont là-bas. Mhm. Et juste à côté de Salimata, nous avons Kamara. Kamara, vous venez d'où et euh, depuis quand est-ce que vous avez quitté votre pays Je viens de la Guinée. Depuis 2020, je suis dehors et il y a deux enfants. C'est tellement difficile pour moi, avec mes deux enfants, de m'en sortir, puisque le travail que je fais, ça ne me donne pas assez de fonds. J'étais commerçant, je vendais des habits parfois, je peux laisser les habits je peux aller vendre d'autres choses. Mais je vois que ça, avec mes deux enfants que j'ai, je vois que ça ne peut pas les suffire. Et moi-même, je suis là encore. J'ai ma petite amie qui est là, je ne suis pas marié, mais j'ai des enfants. Et c'est tout ça qui m'a motivé à prendre la route. Mais en partant, aussi, vraiment les Algériens encore nous ont fait du mal, nous agresser, prennent tout. Et là où on devait arriver à destination, on n'a pas pu arriver. On nous, jette au Niger. Vraiment, on nous jette dans la main de OIM. Maintenant, on prie encore pour rentrer chez nous et dans les bonnes, dans les bonnes conditions. Oui. Bonsoir, Sako. Ah oui, bonsoir madame. Sako, vous venez d'où et euh, qu'est-ce qui vous a motivé à quitter le pays Je viens du Mali. Mhm. Pourquoi vous avez quitté le Mali Et ça fait combien de temps que vous avez quitté Bon, c'est depuis en 2020. Je suis, je suis allé en Algérie pour pouvoir comment traverser vers la Tunisie pour rentrer en Italie. Bon, ils m'ont refouré. Je suis venu à Gadès Aujourd'hui, je décide. Vous faisiez quoi au pays avant de quitter Bon, moi, je suis, je suis un peintre. Pourquoi vous avez quitté votre boulot, votre famille pour prendre la route Bon, la route, pour la route, on s'en va pour se chercher comment faire la famille pour pour pouvoir soutenir la famille, quoi, puisque la famille n'a pas les moyens. Sadio, en part tout ce qu'ils nous ont dit, est-ce que vous pouvez aussi nous dire euh, quelques raisons qui poussent les jeunes à quitter leur pays pour euh, tenter cette aventure Ok, merci beaucoup. Je m'appelle Sadio Diallo, nationalité sénégalaise. merci euh, vraiment ce que viennent de dire mes soeurs, mes frères. Vraiment, ils sont effectivement, c'est ça le problème pour le moment. Parce que quand tu vois, c'est l'espoir. Parce que quand tu es avec la famille, avec tes sœurs, comme disaient mes sœurs, avec leurs fils, il n'y a rien. Et surtout, tu vois, des certaines conditions avec les difficultés de la famille. C'est ça peut-être euh, qui ont parmi beaucoup, c'est ça qui l'a vraiment poussé avec l'espoir. Parce que quand tu laisses ton pays, c'est avoir de l'espoir. Peut-être quand je, me suis orienté vers Algérie ou bien vers en Europe, c'est avoir le changement quand même. C'est parfois c'est ça qui les motive surtout de prendre cette sommet. Nous sommes aussi, comme vous l'avez entendu, avec euh, le coordinateur de l'APS. Monsieur le coordinateur, qu'est-ce que votre projet fait pour ces migrants euh, Merci madame. Euh, à Sahara, est une dynamique transnationale euh, parce que euh, au sein de cette dynamique, nous avons plusieurs pays, euh, l'Allemagne, l'Autriche, le Niger, le Maroc, la Tunisie, le Mali, et le Burkina Faso, le Togo, la RDC. Toutes ces, tous ces pays, en tout cas, nous avons des représentants qui sont actifs euh, dans notre réseau. Mais le réseau, je vais le dire sans risque de me tromper, à, au Niger, il est plus actif. C'est la raison pour laquelle nous avons la coordination ici à Agadez et nous avons une devise droit de partir, droit de rester. C'est-à-dire, nous, nous n'encourageons pas la migration, nous ne décourageons pas la migration, compte tenu de tout ce que mes prédécesseurs viennent de dire. Nous mm. n'avons pas la solution à leur problème. Mais nous, ce que nous faisons, c'est d'essayer de les aider à faire une migration éclairée. Raison pour laquelle nous poursuivons trois objectifs. Sensibiliser, sur les trajets migratoires, documenter les expériences en tout cas vécues euh, depuis les pays de départ à pays de, de, de, transit et pays de destination et toutes les violations de droits qui ont euh, été orchestrées à l'endroit des candidats et candidates à la migration. Mhm. Nous essayons de les documenter et nous enrichissons notre, euh, nos, différents euh, canaux sociaux. Mhm. Ce qui m'amène à ma question suivante. À quel moment vous intervenez Nous intervenons effectivement ici euh, au niveau du siège, parce que nous organisons des sensibilisations mhm. à l'occasion d'une activité que nous appelons la cuisine collective, où nous invitons euh, une trentaine, une quarantaine de personnes très vulnérables et nous leur permettons au moins de manger à leur faim au moins une fois par semaine. Ça, nous faisons ce travail-là. Nous intervenons aussi au niveau de la frontière nigéro-algérienne parce qu'il y a des migrants, surtout qui ne sont pas de nationalité nigérienne, qui sont déposés au No Man's Land, au point zéro. Et ils doivent marcher 15 km pour arriver au village d'Assamaka. Là, nous avons deux tricycles euh, que nous mettons en marche chaque fois qu'il y a ces gens d'arrivée et qui font des navettes, deux trois quatre navettes par jour pour les amener prendre les blessés, les femmes enceintes, les enfants, les handicapés et ceux qui suivent. Et nous organisons aussi euh, ce que nous appelons des patrouilles civiles. Euh, par exemple, dans la région de, du Kawar, le département de Bilma. Mhm. C'est là-bas le plus souvent, euh, code de la loi 2015-36, il y a des, des, égarements, des véhicules qui ne prennent pas les voies officielles, qui tombent en panne. Et nous avons un numéro euh, vert qui, euh, qui marche 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À chaque fois que nous avons un appel de détresse, nous organisons une mission de, secours. Mhm. Donc voilà le troisième objectif. Donc documenter, et eh, sensibiliser, documenter et secourir. Mhm. Et nos, nos, missions ont la particularité d'être des missions civiles. Parce que déjà les migrants, avec la loi 2015, ont très peur. De, voir des hommes en tenue. Donc si nous essayons d'organiser la mission avec les euh, forces de l'ordre, ça veut dire que nous risquons de contribuer à leur disparition dans le désert. Mhm. Merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Amis jeunes, avant de continuer, nous allons laisser place à, à la rubrique rose de la FADA. tout le monde, bienvenue dans ce numéro de votre rubrique Rose jusqu'au bout des ongles, une rubrique qui a été pensée et créée par le studio Kalangu, une plateforme d'information et d'échange autour de toutes les thématiques qui intéressent la jeune fille nigérienne, des sujets santé et bien-être à l'éducation, aux sujets plus fun sur la musique, la cuisine, la mode et la culture. Nos jeunes mélomanes seront également servis sur cette rubrique. Du sport et bien sûr de l'actualité web bien croustillante seront traitées et partagées par nos chroniqueuses. Amis jeunes, ravi de vous retrouver sur cette rubrique rose. L'année 2023 tire à sa fin. Vous écoutez l'avant-dernier numéro de votre rubrique rose. Vous vous êtes lancé sur plusieurs activités sportives cette année pour garder la forme et même perdre du poids. Une pesée sur la balance vous confirme que ça n'a pas vraiment marché. Vos séances de cardio, vos abdos n'ont presque rien donné. Pas de panique. Dans l'espace dédié au sport de cette rubrique, nous avons recueilli pour vous Grâce au site web objectiffitness.com, 5 erreurs fitness que les femmes font et qu'elles doivent éviter à tout prix pour atteindre leur objectif fitness et santé. Alors, attaquons 2024 en forme et avec les bonnes informations. Plus vous en savez sur le fitness et la musculation, la santé et la nutrition, plus vous maximisez vos chances de réussir dans votre programme. Erreur numéro 1. Tout miser sur le cardio. Beaucoup de femmes croient l'idée archaïque que le cardio va les rendre minces et la musculation costaude. La plupart des femmes aimeraient avoir moins de gras et être plus toniques, n'est-ce pas Enfin de perdre du poids et sculpter votre corps, vous devez incorporer des exercices de résistance dans votre régime fitness, donc de la musculation. Et pas des poids plumes, Mariam. On a des 6 kilos, des 12 kilos, des 18 kilos, des 16 kilos. N'allez pas prendre 6 kilos. Erreur numéro 2 à éviter. Suivre une diète trop faible en calories. Il y a une légende urbaine qui raconte qu'en s'entraînant plus et en mangeant presque rien, on perd rapidement du poids. Alors, bien que ce principe puisse fonctionner sur une courte durée, il provoquera très probablement de nombreux problèmes a posteriori. Tout comme votre voiture a besoin d'essence pour fonctionner, votre corps a aussi besoin de ses nutriments, de son carburant pour tourner à pleine capacité. Au lieu de vous priver à l'extrême, équilibrez votre style de vie entre un rapport calorique sain et une augmentation de votre activité physique. Une diète trop faible en calories peut avoir des conséquences. Carence en nutriments, perte de masse musculaire, on devient trop maigre, métabolisme lent, manque d'énergie, d'acuité mentale, dépression. On se voit demain sur la rubrique rose pour plus de conseils fitness. Maria, place à l'espace santé et bien-être. Bienvenue dans notre coin dédié aux filles. Aujourd'hui, on va parler de bien-être et ça sera avec moi, Marie-Madé. Le mode de vie moderne nous a contraints à rester assis pendant de longues heures, souvent devant un ordinateur ou une télévision. Ce mode de vie sédentaire a de nombreux effets néfastes sur notre santé et notre forme physique. Pourtant, maintenir une forme physique optimale est essentiel pour rester en bonne santé et se sentir bien dans sa peau. Nous allons partager des conseils et astuces à pratique pour maintenir sa forme physique au quotidien, sans avoir besoin d'aller à la salle du sport. Pour commencer, Rabi, il faut faire des exercices réguliers. L'exercice est l'un des moyens les plus efficaces pour maintenir sa forme physique. Vous n'avez vous n'avez pas besoin d'une salle de sport pour faire de l'exercice. Des exercices simples à domicile peuvent être très efficaces manger sainement. L'alimentation joue un rôle crucial pour maintenir sa forme physique. Il est important de manger des aliments sains et équilibrés pour éviter des problèmes de santé liés au surpoids. Manger des fruits et légumes, des protéines maigres, des glycides complexes et des graisses saines est essentiel pour une alimentation saine. Il est également important de manger à deux heures régulières pour maintenir un bon métabolisme. Prendre des pauses actives. Les pauses actives sont une excellente façon de bouger tout au long de la journée. Vous pouvez faire des courtes promenades à intervalles réguliers pour éviter de rester assis trop longtemps. Voilà, merci Mariam. Aujourd'hui, nous avons clairement une rubrique rose spéciale mise en forme. On se dit à demain pour encore plus de bons conseils bien-être. officiel de الخير Voilà, mes jeunes, c'était la rubrique rose euh, du studio Kalangu. Nous allons continuer notre émission tous à la fada. tsakar filin alarm fonsa rana Muke ci gaba da tattaunawa kan ranar Asabar wato la migration clandestine qu'est-ce qui motive les jeunes. Ma question suivante c'est euh, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés sur la route Mariam, je veux commencer avec vous. Mariam, sur la route, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés Parce que vous avez pu aller quand jusqu'à la, Libye. À Libye. Mhm. Libye nous a attrapés. On a fait trois mois des prisons après. Et même sur la route, c'était comment depuis, euh, depuis chez vous c'était pas facile du tout. Pour quitter ici jusqu'en Algérie. Algérie nous a pris d'abord tous nos téléphones, nos l'argent, ils ont tout pris. Arrivé au Libye aussi, c'est même pareil. Ils ont tout pris sur nous. On n'avait rien. On a fait trois mois encore de prison. On est sorti. Au retour maintenant, les Algériens nous attrapaient encore. Vous avez dépensé au moins combien sur la route Sur la route, bon, plus que 500 000 comme ça. Parce que quitter Burkina jusqu'à ici, manger, tout. On a fait prison, on a payé l'argent pour sortir. On ne peut pas tout même dire. Salimata, vous avez quitté la Côte d'Ivoire. Vous avez pu aller comme jusqu'à la Tunisie. Qu'est-ce que, comment c'était sur la route C'était comment Quitter en Côte d'Ivoire pour venir au Maroc, là, c'est facile. C'est dans vol, je suis venu. Maintenant, quitter au Maroc, maintenant, pour rejoindre la Tunisie, c'est ça qui était difficile pour moi. Vraiment, c'est pas facile. À vous, vous avez pu prendre un vol euh, de la Côte d'Ivoire Oui, ce vol, on prend pour venir au Maroc. De Maroc, maintenant, j'ai passé par. Et au Maroc, comment vous avez vécu Bon, bien en tout cas. Vous n'avez pas de problème. Oui, je travaille, il n'y avait pas de problème au Maroc. Le problème, c'est quitter au Maroc pour venir en Algérie, en Algérie, retrouver Tunisie. C'est ça qui était le problème pour moi. Mm. C'était pas facile. Bon, Maroc pour venir en, Algérie, frontière du Maroc, il n'y a pas de problème. C'est quand je suis rentré dans Algérie, maintenant, Malais a commencé pour moi. On veut savoir. On veut tout savoir, c'est hein? ça. <laughs> D'accord. Quand on est arrivé à la frontière du Maroc, à la sortie pour venir en Algérie, il n'y avait pas de problème. On est rentré à la frontière du Maroc sans problème. Maintenant, on est arrivé à la frontière, les Marocains, ont ouvert les de d'Algérie. Et nous, libère de sortie, on est rentré en Tunisie et en Algérie. Quand ils sont rentrés en Algérie, maintenant, on est perdu avec les guides. Parce qu'on avait les guides. Bon, nous, on était six femmes avec les hommes. Maintenant, on nous est séparés avec les hommes. On a envoyé les hommes ailleurs, nous, les femmes ailleurs. Maintenant, les Algériens nous ont pris maintenant. Ils nous ont envoyés dans les camps. Quand on est rentré à la frontière, là, ils nous ont pris en même temps. Ils ont mis les hommes à côté, nous les femmes à côté, dans une maison. On était six femmes avec deux bébés. Excusez-moi, ils nous ont dit on a qu'à se déshabiller. Nous, les six femmes, tous on s'est déshabillés. Ils nous ont comme ça, on a qu'à tourner, tourner. On a tourné, tourné, ils ont fini de nous bien regarder. En tout cas, notre chance, on ne nous est pas violés. On a fini de tourner, on dit habillez-vous. On s'habille, on nous a pris la nuit, elle et deux bébés. On nous a fouillé partout. Téléphone, l'argent, ils ont tout pris. Même bébé, sirop de bébé, ils vont casser la bouteille pour voir qu'on met l'argent dans les sachets pour mettre dans les sirops. Ils ont tout cassé. Même les bébés, ils ont les couches. Ils ont couché les bébés sur les tables, fouillé les couches, tout. quand ils ont fini de faire ça, maintenant, nous, nous a jetés dans les forêts. Maintenant, on n'a qu'à partir. La nuit, six femmes. Donc, nous, on a pris la roue. Les garçons sont restés avec eux. Maintenant, nous, on nous a jetés à la, à la frontière. On n'a qu'à partir la nuit vers 23 h les garçons sont encore avec eux. Ils sont en train de taper les garçons. On est lourd, on attend les cris. Les six filles, on était six filles. C'est moi, je n'étais pas mariée. Tous les cinq, les étaient les maris. Donc on partait, les autres filles, les maris sont en train de pleurer derrière nous. Les autres filles ont dit que qu'elles ne peuvent pas partir pour laisser les maris. J'ai dit non, notre chance, on ne nous est pas vu, les on se retourne, ils ne vont pas libérer les garçons, ils vont s'attaquer à nous. Donc on n'a qu'à partir. Donc les filles, on a pris la route. On a marché de 23 quand le lendemain matin encore. On était arrêté là. Dieu merci, des petits Camerounais qu'on avait appelés, ils disent 100 euros. Lui, il, il allait dans Grand gars, il a payé le ticket. On était arrêté à la gare dans ces villages. Le, celui qui donne le ticket, il est venu, que c'est monté. On est monté, on est arrivé, on voit les jeunes. Il dit J'ai payé l'argent, donné mes 100, euros. On a donné son argent. Chacun s'est cherché. De là-bas, encore, il a pris là On s'est séparé là avec ce groupe parce qu'on ne se connaissait pas. Mhm. On s'est croisé sur la route. J'ai pris la route de Tunisie encore. Ah, c'est pas facile. Il s'est arrivé à Kasserine. On me jette à ça. Je me retourne encore. Traverser les frontières, les trous. J'arrive à Kasserine, village de Tunisie encore. Le corps bien nous ramasse encore. J'ai fait ça trois fois. Quatrième fois, je suis revenu en Algérie. J'ai dit, je peux plus, tous mes pieds, j'étais devenu plein, je peux plus marcher. Quatrième fois, il y a une dame qui a perdu ses deux filles. Moi, je les ai reviens en bourse, j'ai attrapé les, les deux filles étaient avec moi. Quatrième fois, je suis revenu en Algérie. Dans l'Algérie maintenant, j'ai trouvé un jeune malien, je l'ai expliqué, il lui dit venez chez moi. Et les enfants, il dit ce ne sont pas mes enfants. Il dit comment tu les as trouvés, je l'ai expliqué. suis Facebook, on a cherché les parents. Quand ils ont retrouvé leurs parents, ils disent que d'accord, on va t'aider, tu vas revenir. Nous, on est déjà rentrés en Tunisie, on cherche notre enfant. Dieu merci, comme ils sont avec toi, on ne te connaît pas, mais on va t'aider, tu vas revenir en Tunisie avec mes enfants. Hein, ils ont payé les transports, on s'est retourné encore en Tunisie. Dieu merci, ils sont rentrés en Tunisie. Tunisie ville, même si rentré. Quand je suis arrivé en Tunisie, on est monté sur l'eau. Garde nationale de Tunisie nous a pris sur l'eau et nous a jetés au port. Chacun a cassé des débris pour rentrer chez lui. On a pris les tasses, on est rentré chez nous. On préparait le deuxième voyage. Donc on était dans la maison. Malgré cela, vous n'étiez pas du découragé. Mais puisque j'étais déjà, ici déjà arrivé, si loin de la Côte d'Ivoire, je ne peux pas me retourner facilement comme ça. Puisque mhm. j'ai même pris hein, moi pour me retourner. Me retourner à quoi Puisque l'argent pour monter sur l'eau, j'avais déjà tout payé. Donc mon argent était là, il ne va jamais me donner. Donc il faut que j'essaye encore. Si c'est ma chance, je rentre. Si ce n'est pas ma chance, c'est Dieu qui décide tout. Oui, quand il prend la route, il prend la route avec une seule chose. Soit je rentre, soit je mets. Parce qu'on sait que c'est dangereux. On reconnaît, mais on prend. Après ces témoignages poignants, chers auditeurs, je pense qu'une pause s'impose. Nous allons souffler en musique et on se retrouve juste après. c'était la pause musicale de la FADA. Nous allons continuer notre émission. La migration, qu'est-ce qui motive les jeunes? Sadio, je, vais avec vous pour cette question. À votre avis, quelles sont les conséquences psychologiques que ces genres de voyages peuvent avoir sur les jeunes? Merci beaucoup. les conséquences, surtout les les voyages euh, concernant l'immigration, surtout de la jeunesse. Parce que quand tu vois ce que vient de dire euh, mes sœurs, parce qu'avant tout, c'est une truc qu'il n'y a pas aucun de respect dedans d'abord. Parce que quand tu parles on on ne te considère même pas comme d'être humain et de ce mieux espère de rester au pays maintenant. Je conseille euh, surtout la jeunesse de rester au pays maintenant, vraiment voir comment on peut développer dans nos pays natals. Parce que maintenant, c'est important, c'est important vraiment de les sensibiliser Parce que quand vous voyez plus de centaines de personnes qui sont là et ils sont quittés au pays, ah, avec l'espoir, ils sont, ils sont vendus tous leurs biens, sont orientés vers l'immigration en espérant peut-être euh, quand ils arrivent en Europe, je peux gagner ma vie. Et finalement, on se retrouve aujourd'hui sans rien sans rien d'autre parmi eux. Ils sont venus avec euh, une seule tenue pendant un mois, et avec une seule tenue qu'on voit. Ça, maintenant, vraiment, c'est le, temps de sensibiliser la jeunesse d'Afrique, vraiment, d'essayer de te fighting et de combattre dans notre pays natal pour gagner notre. Merci beaucoup, Sadio. Une dernière question avec euh, monsieur le coordinateur. Monsieur le coordinateur, euh, est-ce que vous, de votre côté, vous essayez de faire ressortir tous ces points euh, c'est l'un des combats que nous menons au quotidien. Mhm. Euh, nous avons par exemple un dépliant où nous informons les candidats à la migration qu'il faut savoir d'abord euh, personne, avec quelle personne pacter pour faire le voyage, parce que beaucoup de passeurs ne sont pas sérieux, ils les trompent et on ne donne pas, leur donne pas la vraie information par rapport à la traversée du désert. On ne leur donne pas aussi la vraie information par rapport au pays maghrébin. Alors nous, nous avons un dépliant où nous faisons ça, où nous faisons ce genre de sensibilisation et nous insistons aussi sur euh, le comportement adopté s'il arrive qu'ils sont dans une situation critique. C'est-à-dire être solidaire pendant le voyage, essayer de communiquer entre eux, communiquer avec la famille, communiquer avec les organisations humanitaires et surtout d'utiliser notre numéro vert euh, grâce auquel nous faisons des recherches et Dieu merci nous arrivons à retrouver des personnes disparues et nous distribuons aussi les numéros de nos collègues de AP. AP c'est à l'enfant Méditerranée. Euh, Watch the Donc nous avons aussi le numéro que nous distribuons. Donc c'est tout ce travail-là que nous menons avec nos mobilisateurs euh, communautaires et nos lanceurs d'alerte qui sont positionnés sur les routes migratoires. Eh, mais ça a été un peu difficile pendant la loi 2015-36 parce qu'il y avait des voies de contournement. Mais mhm. ces expériences... Euh, est-ce qu'il y a des cas spécifiques qui vous ont marqué c'est sûr. Un exemple, euh, nous étions ici dans ce bureau quand on nous a ramené une jeune fille de la Libye qui a été retrouvée dans un dépotoir parce qu'elle a été abusée sexuellement dans une maison par des hommes. Ils l'utilisaient seulement juste pour le sexe, excusez-moi le terme. Et quand ils se sont rendus compte qu'elle n'était plus valable, ils ont pensé qu'elle était morte et l'ont jetée au dépotoir. Et elle ne pouvait même pas articuler les mots. Et si vous la voyez, c'était juste un squelette. Et je vous dis, pour une fille, elle a oublié le nom de sa mère elle a oublié le nom de son père. Elle, a oublié son pays, a appelé de son village. Elle confond son papa à son agresseur. Et ce qui nous a frappé le plus, c'est dire que ces exploitations-là sont organisées par nos frères africains. C'est eux-mêmes qui servent, en tout cas d'appât, pour les autres Libyens, pour exploiter nos sœurs. Et de la même manière que les, les sœurs sont abusées sexuellement, il y a aussi malheureusement des hommes qui sont abusés aussi sexuellement. Nous avons aussi des cas où euh, des hommes nous arrivent ici mourants mourant parce qu'ils ont été abusés sexuellement. Ils ne pouvaient pas s'asseoir et ils prient à ce qu'on les aide à rentrer chez eux pour mourir en famille. Nous avons eu deux cas de filles qui étaient laissées dans le désert, deux sœurs, deux sœurs, même père, même mère, qui étaient abandonnées dans le désert. Quand on les a amenées, elles étaient affamées. Elles n'avaient pas de chaussures, leur, petite euh, jupe était déchirée, leurs cheveux étaient sales. La première des choses, c'était de les donner à manger, de les envoyer pour nettoyer leurs leur cheveux avant de les écouter. Heureusement que nous avons confié à leur communauté. Alors nous avons des bons rapports avec les communautés migrantes ici qui sont organisées. Et Dieu merci, ça nous facilite euh, le travail. Mais des expériences comme celles racontées par nos soeurs, mhm. on en a tout, un catalogue, tout un catalogue. Voilà, merci beaucoup, monsieur le coordinateur. Avant de clôturer notre émission Amis Jeunes, nous allons d'abord accueillir Seno et sa chronique du jour. Amis jeunes de la FADA, bonsoir. Ravi de vous retrouver ce samedi pour la chronique. Aujourd'hui, à oblige, nous allons parler de la lutte traditionnelle qui est à sa 44e édition en 2023. Elle se déroule dans la capitale de l'Aïr, Agadez. D'ailleurs, nous faisons un coucou à l'équipe du studio Kalangu qui se trouve sur place pour la couverture de cette grande rencontre sportive. Une pensée particulière à tous nos auditeurs qui nous écoutent sur les radios nomades et Sahara qui nous diffusent depuis Agadez. Alors amis de la FADA, la 44e édition t'as entendu, du championnat de lutte traditionnelle au Niger a inauguré ses festivités le 22 décembre 2023, promettant une célébration mémorable du sport qui trône en tant que sport roi dans le pays. Cette compétition, riche en tradition et en rivalité ancestrale, captivera les foules jusqu'à sa clôture le 31 décembre 2023. Eh bien, plongeons dans l'histoire fascinante de la lutte traditionnelle au Niger. Un héritage qui qui remonte sur des générations. Ce sport, au-delà de son aspect compétitif, est imprégné des valeurs culturelles profondes, symbolisant la force, la résilience et la fierté nationale. Les lutteurs porteurs de cette tradition incarnent l'esprit indoptable du peuple nigérien. Au fil des éditions, le championnat a évolué, intégrant euh, de nouvelles règles tout en préservant l'essence même de la lutte traditionnelle. Les arènes sont les théâtres où s'expriment les techniques héritées du passé, mais aussi l'innovation des lutteurs contemporains, créant ainsi un pont entre hier et aujourd'hui. Alors c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve demain, même heure, même canal pour la suite. Nous parlerons, Inch'Allah, des supporters qui jouent un rôle important dans la beauté de ce sport roi au Niger. Merci Sainu, haka ne matasa nan muka kawo ƙarshen shirin namu na mu haɗa fada na wannan ranar Asabar. Aujourd'hui, euh, nous étions en compagnie de jeunes candidats à la migration du coordonnateur du projet Alam Fontara APS à Gadez et de Sadio qui est un mobilisateur aussi le représentant des communautés migrantes à Agadez. Tare da su mun tattauna akan bakuntar haure, matsaltsalu da wahalhalun da suke fuskanta akan hanya, sannan kuma da dalilan da suke sanya su su kama wannan hanyar duk da irin haɗuran da suke samu a kanta sannan kuma mun ji labarai da dama masu taɓa sai kuma gobe idan Allah ya kai mana rai inda abokin aiki na bibu garba zai dawo muku da wannan jigon da zai taɓo muku kuma wani maudu'i daban kafin nan ku ci gaba da kasancewa tare da shirye-shiryen studio kalau